wax dëgg yàlla lii moom ñun moom mënuñu leen fay si lii yàlla dong mun a fay yal na leen yàlla fay waaw fekk nañu si ay difficulté yi nga xam ne parce que comme suñuy jaar ñun mooy dañoo doon ay jigéen ñi nga xam ne dañoo perte suñuy borom kër dañoo njaboote wax dëgg yàlla soxla nañu ay dimbal lool sant yalla sant le parce que nit ki wax deug yalla ni ngeen def fi wax deug yalla yalla rek mo len man fay yalla rek mo len man fay yalla na len yalla fay depuis daw tam bo legi ha ah, wa deug yalla mi ngi contane ci yéen trop yalla ngeen gudd fan ki len ko yeketti an yen, yalla na len yalla jappale parce que li alal bu bu bari alal ju bare mo nek fi contane nañu torop torop yalla na len yalla fay me wax deug yalla contane nañ si torop torop torop Yalla mo am fay yalla na len yalla fay yeen xam li ngeen bëgg yalla na len ko yalla defal ci jàmm ak salaam ñi nga xam ne ñoom ñoo leen yëkëti pour ngeen indi li yalla na len yalla fay aduna ak alakhirah barki wëru koor gi wa defal len yeen tamit ay xewal yu bari ubbi len wërsëg gudd fa nak wér ak wër yépp ñu bokk ko ñun ñëpp salam Moi, je m'appelle Aboulaye Kamara. Je suis le frère du chef du village. Vraiment, on vous remercie. L'an passé, vous avez fait la même chose ici. Vous savez, des villages comme Kerkongo, très éloignés, c'est par euh, amour de Dieu. Vous êtes venu juste dans les bleds là pour vous donner des soutiens aux musulmans. On vous remercie beaucoup. On ne peut pas trouver de mots pour remercier, mais nous demandons seulement au Tout-Puissant, le miséricordieux, le Créateur de l'univers visible et invisible, qu'il continue nos relations et que vous aussi qui essayez de faire ces missions-là, qui vous donne une longue vie et vous donne le courage toujours de continuer dans cette, voie-là. on vous remercie beaucoup. Tout ce que vous faites, vous faites pour, la cause de Dieu, pour la cause de l'islam. Là, nous sommes très reconnaissants à votre endroit. Euh, corps au concon, dans la chaleur, dans la dureté et dans la difficulté, on a quand même pu ensemble euh, remettre ça après une première édition l'année dernière sur ce village. Cette année, on a pu en faire euh, deux autres, plus euh, Kédougou, ce qui fait quatre endroits de distribution sur la région de Kédougou pour un total de 100 kits offerts ici 700 km parcourus de Dakar pour arriver ici, offrir ces 100 kits qui sont hautement symboliques. Regardez cette population, regardez cette chaleur, regardez ces difficultés. Vous saurez combien ces kits arrivent à là où il faut et ces kits euh, serviront, mashallah, à ces, à ces familles, à ces personnes euh, qui sont au milieu de nulle part. Euh, le paysage vous en dira plus par rapport à ce que je peux vous dire en termes de mots. Qu'Allah vous récompense. La force du partage se poursuit. Cap sur la région de Kolda, avec Kolda et Velangara, deux étapes, puis Seydou, puis Ziguinchor. C'est dire qu'il nous reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. La mobilisation continue. Ne relâchons pas, nous sommes au milieu de Ramadan. On doit commencer une nouvelle moitié, donc une nouvelle motivation.